Fada son oncle Sakashurun Kuna Matasa, l'aventure Fada spéciale région d'Agadez se poursuit mais cette fois-ci à 250 km de la ville d'Agadez, un garin Arlit. Donc âgé ko un deuxième pari ko ake ce garin Un In akwai abin da yake bada sha'awa a wannan garin c'est bien tout ce que nous avons appris au fil des années Parce bisa kan ma ma'aikatan Arlit Quand ko in ce ma'aikatan wanda suke cikin aikin min muna ji a ce rayuwarsu gwanin Il ba a roi, ruwa ba a biyan huta vraiment la belle vie quoi. Ok, <laughs> c'est vraiment l'Eldorado pour plein de jeunes Nigériens, on peut le dire ainsi. To, quand wataran dans une interview qu'il a accordée au studio Kalangu, Almu Gabdou, le secrétaire général du syndicat des sous-traitants, qui déclare que la fermeture de la mine d'Akuta a occasionné le licenciement de 600 salariés et 800 sous-traitants. Dewa compagnie minière d'Akuta, La FADA s'installe dans les locaux de la radio Kausen yau nan muka zo mu dora fada don mu yi hira tare da waɗannan matasan bisa kan wannan liƙewa da aka yi ta Cominac. En effet, la compagnie minière Bakuta a été créée en 1994, on le rappelle, après 50 années d'existence, le groupe Orano anciennement Areva, qui exploite la mine d'uranium, a annoncé en octobre 2019 sa fermeture en mars 2021. Alors, depuis la fermeture en mars dernier de la compagnie, que sont devenus les jeunes travailleurs Comment vivent-ils ce bouleversement du jour au lendemain Comment comptent-ils y faire face à cette nouvelle euh, situation On en parle avec Idrissa Tousman, le président du réseau des jeunes diplômés d'arlite Oui, pour, ça les, pour développements socio-éducatifs et professionnels, euh, ça va. Bonsoir, euh, Madame la présentatrice. Ok, et, euh, Idrissa, je peux le dire à nos auditeurs, la Cominac, tu as un lien avec la Cominac. Tu peux me parler de ce lien que tu as avec la euh, société les Effectivement, comme j'ai eu dire euh, un peu plus haut, en mhm. fait, euh, un de mes parents, en tout cas, a travaillé à la Cominac et moi aussi, personnellement, en tout cas, j'avais fait mes, stages parce que ce n'est pas un seul stage. C'est un certain nombre de stages de perfectionnement professionnel. Donc, depuis CTK, on nous envoie pour nous perfectionner sur les terrains. C'était un rêve vraiment de travailler dans cette Finalement, société. Finalement, marche. Euh, il faut le dire avec surtout amertume. hakan ne take abin da ya ba dadi amma to sai hankuri to a wannan fadar kuma na tare da Ali Alassani le conseiller d'orientation et d'insertion des jeunes ici à Arlit saba ya kake da dama da dama saba an gode ma Allah ya matasan naka na tsohin ma'aikatan kuma naka ya kake da su matasa na zauren namu wanda muke kira eh, platform orientation jeunesse mhm. wanda ya kasance zaure ne na matasa wanda yake a kirkin matasa masu shekara 15 har zuwa 35 bayar wanda su ati son porteurs de projet ko kuma wanda suke neman aiki ko wanda sun kare aikin suna diploma mai zon di mal à avoir ma'ana stage kin da suke yi hmm. an tuka dangane da wannan tamkin da muka ɗauko na abin da shahi rihe kwamna za mu ce in akwai mutum na farko ko akwai institution ta farko wadda ta girgiza kuma za ta iya hudu a zahiri rike wannan haya gwamna bai wuce platform ba e aujourd'hui muka sun tsinci mu yan bonjour aka ce mana a rike kyauranta kowa ta tara ta shi abun ba daɗi C'est ça. Bon, on va continuer à avancer sur la fada, les jeunes d'Arlit. On baisse pas les bras. À cette fois, nous sommes également avec euh, Abari. Il est Mamadou Kakouma, secrétaire qui Association des jeunes actifs pour la promotion de la paix et de l'environnement ici à Arlit. Ok, Toi. sois le bienvenu sur tout FADA Nous attendons incessamment le secrétaire général des sous-traitants de la Cominac, Mais avant cela, on va déjà débuter cette euh, émission. Je rappelle à nos auditeurs que nous aurons également la rubrique euh, présentée par Mr. Dondi sur cette émission. Et enfin, la chronique de notre chroniqueur chouchou Olivier. Ça va, Olivier C'est comment Ça va, tranquille. tu vas bien Ouais, ça va, tranquille. Ah, ok. Alors, il euh, un peu. Euh, il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de. C'était pas trop fun hein, comme sujet. Mais bon, il faut en parler, ça touche aux jeunes et on est partout où les jeunes sont. Ah, bien évidemment. On a quoi au menu aujourd'hui Ah, bah écoute, dans une de mes chroniques, il y a de cela quelques jours, quelques mois, à la fin euh, de l'histoire de la Cominac, j'avais espéré à ce que Harley devienne peut-être euh, le prochain pôle technologique parce qu'aujourd'hui, les mines ne sont plus à la mode, c'est la technologie qui est à la mode. Mais malheureusement, on est arrivé, on a vu la connexion Internet et puis j'ai eu une petite idée, une petite chronique. À la fin, on va en parler. On va parler de cette connexion qui est plutôt capricieuse hein, ici chez vous. Grave, Mais <laughs> voilà. Top, c'est parti alors. Ma Maekata Rishida

prévue par la Cominac, toujours selon le SG, des sous-traitants au micro du studio Kalangu. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la fermeture de la Cominac Idrissa Maman. Oui. Ya ne kuka karɓi wannan labarin? Eh gaskiya labari wannan eh, ya girgiza mu sosai. wallahi labari wanga ya girgiza mu sosai fait, euh, dole ne girgiza mu saboda an ce za a liƙe society ana zamana lahiya cikin kwanciyar hankali an ci kuma gobe insha Allah za a liƙewa kuma gashi nan abin ba wasa bane kuma ya zama to gaskiya. yoni ni tanin kira ma akwai dan kishin kishin kin liƙe ta ko kawai kwatsam naka ba wala ba. A'a akwai dan kishin kishin mai kun san mutane duk kana jin kishin kishin kin san malam Bahaushe shi kishin kishin baya mishi sai ya ga gwa da gwa gaskiya ta fito. Abin nan nunu lamtondon. mais mutane da jira suke su gani wai est in reality peut-être euh, bon on sait pas peut-être ana so dai ne a tada mutane hankali ko kuma ana son dai a maido wa'ansu bisa kan abin nan kuwa bisa kan droit chemin mais c'est une réalité et nous allons faire avec mais ni ba liƙewa bace ba take da mun hankali kuwa hmm. eh mi ake ce mishi wa'anda suke da kwantara da kominak su lalle suna samun wani abu Et moi, je pense qu'avec une éducation financière, bien évidemment, ces gens-là qui vont bénéficier de quelques millions, avec une éducation financière, peut-être qu'il sera une initiative de la Cominac. Cominac va former les agents licenciés, on a ba kuɗi, an yi su ga abunda da za su yi da kuɗin. Eh, yo a saki mutum sans aucune éducation financière, bai ben, san yadda za yi da su ba. ai mun wanda plan social na Sumayir, wanda an 20 millions, 14 millions, 15 millions. un an après mutum yana tambaye ka sigari mutum yana tambaye ka ka sa mashi demi kaga kenan c'est ça le problème Comment au-delà des agents même qui sont liés par la communication qui sont liés par les contrats les 800 sous-traitants là leur sort par exemple leur sort la SOMAR et la communauté va plier bagage. Mais menene ne za su beneficier da shi kenan su ba su cikin wannan eh, abubuwan wannan yan eh, kudaden da aka bada dan da oh, en tout cas j'aurais entendu ils vont bénéficier des droits légaux n'est-ce pas des droits légaux n'est-ce pas en tout cas c'est ce que j'aurais entendu hein j'aurais entendu ce que j'aurais entendu hmm. mais ça n'a jamais été fait inda wa'annan sous-traitants sun samu kudin da za a ba su da omonsu mun ji shi da kun ji shi ba da mun ji shi justement yanzu zo wajen ka Ali Alassane tu es conseiller en orientation et insertion euh, là c'est un choc hein Ouais. Ya ne zancen wannan plan social kin. Voilà, merci. Vous arrivez à voir clair avec euh, vos adhérents waɗanda kuke matasan da kuke gérer? Oui. Très bien. Eh, dangane da wannan matasan da suke zuwa peut-être suke nema su rubuta kansu wanda suke nema wata mafita ta biyu parce qu'il faut le dire c'est une seconde chance wanda suke nema ta rayuwa mm. ganin cewa sun samu kansu a can baya eh, ma'aikata et que yanzu daga baya sun samu kansu ba su chômage et eh, a pas plus choquant que peut-être wanda sukan tunanin su girka rayuwarsu on a pu a échanger avec pas mal de jeunes kaga wani yaro wanda il a initié yayi sadaki tout ça là les prêts vraiment pour aller dans la vie ouais, ouais. proprement dit et kwasan sai ce an tsaida shi voilà regardez tout ça là en tout cas akwai ciwo ha kan ce daban yake kaga abin su kullu ba ta ɗauka shi kwallo ba ta dokashi très tare imina mai kwallo ba ta dokashi en fait, c'est quoi le plus grand problème Il y a beaucoup de gens qui ne s'attendaient pas à ça. C'est une chance kin daga su kuma dangane da garhewa d'abord ils sont professionnels. Ouais, il y a ça, il y a l'expérience. Voilà. Donc ils sont professionnels, c'est l'aspect le deuxième aspect. Parce que quand on dit que tu es professionnel normalement tu es même appelé à t'autonomiser. ka tsaya saman à ka sarrafa irin aikin ka Mais le problème ici c'est quoi encore? C'est que sous su da kansu kominak kin da tarihi ba ta yi ou udumon ba mu sani ba hatta musu kreyen kadir kin da za su samu su kan samu kansu parce mm. kamar yadda president Idris ya gai ta wani fannin kamar sai paske mutane ba su da wannan horo na yadda za su sarrafa abin da gare su gobe su ɗauki kansu yanzu ko wanda suka zo cikin structure kina ku akwai da kuka samu kai approche ba a samu sati guda ba mm. mun yi rekritan mutum biyar cikin electrician okay. cikin wanda suka hutu paske an eh. bamu kota kotan platform aka ce mana za a formation kuma après la formation za a insertion kin mutane mm, mm. mais de préférence a samu electrician wanda suna da horo deja sun kware mu proposan su fala to yanzu bari in zo wajenka a bari kai dai SG kin association des jeunes euh, actifs pour euh, la promotion de la paix et de l'environnement yanzu wannan jeune kin da kuke tare da su kuna ganin wannan plan social kin zai gyara musu wani abu ko ya ne ka gani abu a ah, plan social yanzu matasa ba ma matasan arlit kaɗai ba duk matasa na ƙasar nijar ma da sun yi sunan ma yana girgiza su plan social in na lamari ne babban wanda ya girgiza jihar mu arlit ya girgiza ƙasar mu kabba da mu can kungiyar mu muna nema matasa wanda abun ya shahe su muna musu wayewa kai a travers de sensibilisations des émissions de hmm. des formations plutôt muna waye musu kai kamar yadda nos autorités ont l'habitude de les dire les mines suna da rayuwa kuma rayuwar nan tana ƙariya kuma in kalubale irin wannan ya samu ko ya haɗo akwai hanyoyin da ya kamata a bi shine muke musu formation souvent a travers notre association muna waye musu da kai yanzu kuna da labari bisa kan kamar a hotar da kwambe ne zo ya indemnize kuna da dan vous avez une idée to muna deji ana cewa sun samu wani abu surtout mu ba ma wanda su in na sumayar in ne ba abin ya girgiza mu eh. su ce wanda aka yi employee wanda ake ce masu tretan su tretan ba nan ne lamarin su shine ba mu shi daɗin shi ba saboda mutane ne wanda sun yi aiki sun yi shekaru shekaru suna aiki yau aka zo aka ce an like kamfani ina ji ma ana zancen za a ba su har yau mu ban ma gaba an mm, ba su to wannan lamarin gaskiya ya bata mana rai mu duka ya girgiza mu surtu matasan da suke gari surtu kuma victim in wanda ya shafa direct u indirect ma to kun shi dai abin dai ba daɗi Mais euh, sur la FADA, on sait que les jeunes, ils vont pas baisser le bras et que vous, vous êtes là, les structures qui les accompagnent, vous êtes là vraiment à leur côté pour euh, les guider. Donc, ƙara jawo hankalin su bisa abin da ya kamata a ce an gobe. Dan ka zo kuma a ana ɗora hannu bisa mm. To, za mu ji eh, shi kuma don da rubrikin tashi a wannan fadar kan mu dawo mu ci gaba da hira tamu da tare bakin namu. Mun shi kuma rubrikin da waye hira et on se retrouve juste après nigérienne, nigérien, mes chers compatriotes, l'art dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions et ce qui le pratique. Aujourd'hui, c'est du tout réuni que nous allons recevoir sur cette émission Entre Griffes. Un acteur culturel qui se donne à fond de jour comme de nuit pour faire ressortir les couleurs nationales à travers l'art et ceux qui le pratiquent. Un blogueur, un influenceur. Nous recevons sur l'émission Tous à la Fada au jour d'aujourd'hui, les 10 ans de gentlemen, Niger Culture, Fraternité, Travail, Progrès. Alors, mon frère, comment tu vas Je vais bien, je vais bien. Dis-moi quand tu pètes la forme, s'il te plaît. Oui. <laughs> tu pètes la forme Aïe, Kikana <laughs> Naka. Je suis en forme. à toi, big up à toi. Et nous sommes ensemble, comme on dit, sur cette émission pour parler au maximum de la culture, mais du Niger, pour parler un peu de ce que tu fais pour parler un peu du contenu de ta page dans un deuxième angle. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire samedi, nous allons parler de l'homme en question. Alors, parlons de l'homme à l'état civil. Et l'homme à l'état civil, je m'appelle Malam Ajouaziri, ça c'est mon nom. Malam Ajouaziri, ça c'est mon nom. Ok. Et le prénom, c'est Katzelma Omar El Hajtaya. Voilà. Ok. Donc la famille El Hajtaya. La famille El Hajtaya. Mais mata les hommes passent avec leurs qualités et leurs défauts le Niger demeure c'est en fonction de ses intérêts c'est ces intérêts que nous devrons tous agir alors il continue ce que Taya a commencé et sur cette émission nous rendons donc hommage à Al-Hajj Taya alors l'amour de la culture. tout te vient cet amour Et donc, euh, comme vous l'avez dit, l'homme doit se définir. Mhm. Déjà, pour commencer, Malam Aj c'est un almagiri, quelqu'un qui a lu le Coran. Mhm. Donc je suis toujours en train d'apprendre le Coran. Mhm. Et mis à part cela, j'enseigne à l'université mhm. depuis 2015. Et aussi, c'est le droit commercial aux étudiants de la licence. Et mis à part cela, je suis commissaire-priseur, commissaire de justice, huissier de justice. Parce que juste hier, avant notre rencontre, ah, j'étais à une réunion au ah. tribunal de grande instance. Ils ne le savent pas, certainement, les jeunes qui te suivent. Ah. Ils ne le savent pas. Ils le savent Monsieur pas commissaire plusieurs, enseignant à l'université. Donc, euh, et quoi encore Quoi d'autre président... de l'association pour sauvegarder la culture au Niger. Président, de l'association Sauvons la culture au Niger. Sauvons la culture au Niger. Il est aussi, euh, n'est-ce pas, président, mesdames et messieurs. Et quoi d'autre Il faut aussi dire que je suis célibataire. Célibataire Jeune célibataire. Je ne le sais pas aussi. <laughs> <laughs> Il est célibataire. Voilà. <laughs> Alors, pourquoi l'amour de la culture Explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené David Pour parler de culture, euh, c'est assez simple. Hein? Et pour quelqu'un qui a un, un grand-père du nom de al Taya, Bien sûr. pour quelqu'un qui a un père, c'est-à-dire mon oncle que vous connaissez, son vrai nom c'est Inusame Manga. Okay. Manga comme même Umara. Bien sûr. Parce que c'est la même famille. C'est la même famille. Et donc, Alajtaya, c'est notre nom de famille. Ok. Et aussi pour quelqu'un qui a comme père. Mhm. Le Cazel qui a fait ce journal, Le Cazel, mhm. qui est aussi un artiste plasticien, le premier peintre du Niger à exposer en Chine, aux États-Unis, à Londres, un peu partout dans le monde. Donc, euh, le premier à initier le Tachar Fakarei à Télé Sahel, c'est eh, Tu as là il fallait me le dire. Hein. Il fallait commencer par là. <laughs> Oui, c'est le premier aussi qui a fait venir Cheikh Anta Diop, Baba Kake, Ampateba, qui a instauré le débat scientifique. Uh-huh. Le premier qui a eu à faire le showbiz à travers Kassav, qui l'a amené, Orlis Mabele, Oumou Sangare. Wow. Et qui, il y a beaucoup de choses. Et à la mort de, du grand artiste. Ok le français que vous connaissez. Notre Casanova. Je ne sais pas si tu te rappelles. L'idée, La seule personne qu'on a interviewée au Niger, c'est monsieur Kazet. Ton papa. C'était les initiateurs. Tout simplement. Waouh tu as tout dit, je pense qu'en quelques fractions déjà Des secondes, je sais que le Niger entier ou les jeunes qui regardent cette émission qui suivent, à partir de cet instant, ils savent déjà qui tu es. Nous sommes donc à la fin. C'était une petite présentation pour permettre aux jeunes de te cerner, de, de te comprendre. Il y a la passion, et la vocation. Ah donc, de formation, je suis juriste, comme j'ai envie. Bien sûr. Et ma vocation, c'est ça, c'est l'art, la culture. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est ma passion. Comment Comme toi, grand frère. un mot de fin, un mot pour dire aux jeunes, n'est-ce pas, d'y croire. La culture, on peut, et on peut faire aussi euh, connaître un pays par sa culture. Sans culture, tu n'as plus d'identité. Maintenant, l'instant est solennel. Et moi, je vous dis une chose, la culture, c'est l'âme d'un pays. Un peuple sans culture, c'est comme si c'était un pays sans âme. On doit y croire, parce que la culture définit d'où nous venons et où nous allons. Et pour ça, je tiens à remercier et à féliciter Studio Kalangu. Et j'espère que les jeunes seront culturels. Je suis à l'image de l'artiste. Et le studio Kalangu est au rythme du Niger. kun ji dai a arlitu muke tare da matasan arlitu muke yau a nan ga radio partner kimu kausen muke na muna hira bisa kan wannan liƙe da aka yi ta wannan minikin yanzu a ce ma fiye shekara arba'in tana aiki wannan minikin yanzu ga ta nan kwatsam aka liƙe ta wannan matasan da aka liƙe yaya ne rayuwar su kasance cikin wani hali suka shiga kuma wata mafita ce suke nan ga gani za su samu a wannan fadar muna hira tare da idris tusman Euh, nous sommes avec Ali Alassane, il est conseiller d'orientation et d'insertion. Nous sommes avec Abarul SG de l'AJAP, Idriss Atousman, qui est le président du réseau des jeunes diplômés et d'Arlit. Nous savons bien que euh, ces mines, ça fait partie de ce qui fait l'âme d'Arlit. Depuis cette fermeture, comment ça a touché la ville, la vie même à Arlit, comment ça a touché en tout cas, euh, merci encore de me redonner la mhm. parole, camarade de camarade d'Arabia. Bon, nous, au fait, euh, on a surtout même de la chance, si je peux le dire ainsi, parce que à part la Cominac aussi, il y a les sites orifères là, donc les sites de traitement, euh, en tout cas de l'or, etc., etc. On sent pas directement, en tout cas, la sécheresse économique ou bien la frustration. On sent pas ça directement. Mhm. Imaginez, -hmm. Imaginez sur le que Babou Guidanda Kangakou Abou. Moi, je peux vous dire euh, euh, ouvertement que Guidenda Kagan, en tout cas, est en train de sauver Arlette. D'ailleurs, même en train de sauver Arlette. Parce que euh, les agents là, il y a beaucoup, je peux vous dire qu'il y a beaucoup qui se retrouvent à Guidendaka, là où on traite l'or là, là où va l'or, en tout cas, euh, suit un certain nombre de traitements chimiques, etc. etc. Yanzu, les mécaniciens surtout, les électriciens, etc., etc. J'aurais appris qu'ils se retrouvent là-bas à Guidandaka parce qu'il y a des grosses machines, il y a des grosses machines, groupe électrogène là. Le groupe électrogène a besoin de l'entretien. Les mécaniciens se retrouvent en quelque sorte là-bas. Ça, c'est bien, ça, c'est une bonne Oui, se Il y a beaucoup qui se retrouvent là-bas, mais des débrouillards. Hein. Ah, des débrouillards, il faut les dire ainsi parce qu'il y a beaucoup qui envisagent. Et aussi, vraiment, il y a tellement de rumeurs et de rumeurs, de fois, il faut être vigilant. Voilà, il y a une somme forfaitaire etc., etc., euh, c'est entre la mairie, etc. Il y a une somme forfaitaire. de somme forfaitaire, ah, Voilà, je ne ah. sais pas. Mais jusqu'à présent, je pense que cette affaire ne, tient pas debout. Ouais. nous Moudé, vraiment, fermeture, comme l'a su bien dit l'autre, chaque mine a une âme. yake vraiment lokaci ne ya zo ya yi mai sai dai mu magana bisa kan impact en tout cas multiple et multidimensionnel qui ça a occasionné cette fermeture c'est tout ce que je peux dire euh, président sanu da zuwa sanu sanu ça va président kin aja ah, ya to alhamdulillah rabi ya yanzu ka ji hira da ta kawo nan ga hira wannan kin na milikin da kominak da duka ayyukan da ake nan ga kai har da gidajen ma yanzu ina so in san akwai abun da wa'annan matasan suka fara yi da aka liƙe wannan kamfanin akwai wata 'yan mafita da suke nan tana da ita? ce in ce eh, gaskiya ba a rasa mauta saboda mm. kamar yadda na saurari eh, abokan da suka wuce ni suka kama magana mm-hmm. eh, ba ta wani a ce ai shekara arba'in ana sarrafa karawuna ana samun arziki cikin kasa a liƙe ba a samun impact mm. dole ne sai a samu impact me na yamma mutane son dibu son taron da sai recherche yanzu an kadi ba gani cikin gari mutane son taron da credit initiative Eh, saboda ai da aka sake su lalle mu mun yi da Allah wadar da wanga sakin da aka yi ya hmm. kamata cika ake saki gwamnati ya zo ya ƙara tattauna gami ya kamata hmm. saboda a realite ai en eh, ya boku de choses qui sont derrière tout ça pure nos informations hmm. a wanda déjà sun tattar kan sun te su ah, sun ta da ma. da yawa kaga sun te su me yasa aka na to suna tare za a basu gida da ne su zamana to kuma yanzu zuwa ladiran minit ta juya ba a basu gida a ake tana za a cire wuta da ruwa pure nos informations ba ma bada duka za a maido sanin gwamnati da likitar da sauransu da gidajen duka cikin gwamnati za a maido su to kenan ka gani garin nan dole akwai wanda lalle an sa gaba su iya rula sabar garin kuma dole ne sai ya samu impact negative fuskan wannan eh, garin kwamnak Aliyasan tu es vraiment dans l'orientation et de l'insertion zancen mini kinanta madawaila qui sera opérationnel très bientôt le 10 yani kaji kana nan ganin wasu yan debouché in lumière au bout du tunnel a wajen nan kotan ko dai yayane abun hmm. merci don ka dangane da fitar turminkin da ake fira ta eh, madawaila mm. wadda bature ke kira ina gani ita ce govex ko a tunanin mm, govex ba mm-hmm. eh, mu da a hirar da muke a yanzu za mu ce kamar waka ce kamar waka ce da aka saba mana waka a kowane lokaci baske paske c'est quoi le grand problème mm. babban matsalar da adda kwai dangane da abin da shayi harkar min surtout a nan Niger wanda suke a cikin gari ko kuma wanda suke da dama su ɗauki muryar talakawan da suke cikin gari su kai su inda ya kamata su kai su gai su le plus grand problème ba su ba talaka communication yadda ya mm. kamata je m'explique ai mamman da wani an mana hira imuraren imuraren ba ce mana za a buɗe mana ita nan kusa take jen duka na region sino na Niger duka za su samu aiki aka mana hira aka mana confirmation cewa production kinta da jen kinta za ta yi recruiter sai yayi double ga na soma da wanda take kowa ya ji daɗi kowa ya ji murna tun mun monde était prêt vraiment à aller ba. ya kusan in boshi da aka zo aka ce mana an rufe su an tattare kowa ta shiga gida ba ayanta ba a mai da bitanta ba wannan abin iya cikin ɗaya abin da ya karya ma duk wani jan da yake da espoir king yayi servir a cikin region kin shi karfin gwiwa ana ne ana ta ana ta kuma sai aka zo mana aka ce mana akwai gobex hira gobex yanzu mutum ɗaya wanda zai bada labarin ta takara muna ganin takardu suna yawo cikin rezo siyo a ce mm-hmm. director ya zo yayi entertain da min yayi entertain eh, da eh, minister eh. ya entertain wallahi ba ma shi ne da mu gani me bala mu ma muna ganin su me ni anan zone king dai bien plus précisément en Niger duk abin da shahar à bature in ba ka gan shi an aikata ba babu ka c'est juste du folklore pour dire les mm. choses au clair hira ce duka wala tunda a lar actuel har yanzu samun shan da ya zo mana ba vraiment shi export kin shi ko kuma iya so ya shira mm. a yi orientation shi ko tannan dukkan su shan kin da aka hudo daga kuma kin nan an tuka a lar il se cherche Naga ga inda zaka tafiya dawo gare ka parce que là, là c'est vraiment les perspectives on va s'étaler sur les perspectives mais avant cela je vais vous proposer espoir d'un jeune qui s'en sort pas mal hein, dans tout ce qui est reggae et tout et tout. Un jeune euh, lycéen, je pourrais dire, euh, de Niamey, il s'appelle Abel. On va écouter Espoir de Abel et on se retrouve euh, juste après pour encore parler de l'espoir des jeunes d'Arlit. Ne dis jamais que j'en ai marre, mon frère, où que tu sois, ici même quelque part. Et toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête et regarde l'image du ciel. Le jour, soleil, soleil et la nuit, c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entend. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va t'appeler mal les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du septième ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde ta vue comme on s'en taille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que facile, non, il que ça de dire qu'on baille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que facile, il que ça de dire qu'on baille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que facile, non, il que ça de dire qu'on baille. Machallah. Retour à la FADA. Aujourd'hui, on parle d'espoir. On parle d'espoir de ces jeunes qui se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage. Ils étaient à la Cominac et euh, c'était des jeunes qui s'en sortaient bien, qui gagnaient bien leur vie grâce à ces mines qui aujourd'hui sont euh, à la maison. Yanzu, Présidentin euh, Ajab, Mayaki, euh, nous sommes avec Ali Al-Hassan, nous sommes avec Idrissa Tousman, nous sommes avec euh, Abari Iri, je suis comme secrétaire qu'un Ajab. y a un mise en perspective. Hum, Ali Ahara, Qu'est-ce que vous voyez Parlons maintenant des perspectives. Qu'est-ce que les jeunes d'Arlit qui étaient dans les mines ont prévu maintenant Qu'est-ce que vous avez prévu

su ci gaba da rayuwarsu wadda suka saba da mm. surtu kamar nan gidan daka ni na ga matasa diya kuma wanda aka hidda aikin ah, plan social na kwamina suna aikace aikace wa'ansu suna sai da ruwa suna wa can waɗansu sun yi kirayen entreprise a can ma sun yi kirayen ɗan butik butik an tuka l'espoir kamen même na je na arlit alhamdulillah za a ca biyan ke an girgiza mu tunda na ji an ce ranar nan manyan mutane shugabannin garin ma kowa sai da zuba da saboda abu ne wanda les gens ne s'attendaient pas à ça. Et que maintenant, ouais, a quand même l'espoir est là. il va me donner son dernier mot sur mon émission. Il faut que je profite de sa présence. Hein. Ton nom, s'il te plaît eh, Salam alaikum. Alaikum salam. Sunana de Abubakar. Ni ne alaikum. kwangila na Arlit wanda suke aiki a cikin kasan masu gidaje da ake kira entrepreneur ok yanzu ka gani ko tun nike ta rerawa ta nike yana nan te yana nan te sai yanzu gashi nan na kusa kariya kuma sannan ka zo gashi ya iso Allah ka yanzu sai ka mu magana ta karshe yanzu har mun zo ga perspective har mun zo ga perspective muna so mu ji mhm. wannan matasan duka yau sun yi hiddo komi sun gaggaya muna da wanda suke da liyankin ma da suka yi wanda suke vizan duka komi na kin yanzu ga ta an liƙe yanzu tun mun zo ga perspective muna so mu sani yanzu wa'annan su kin da kake nan kana jere da kai ne SG kin syndicat kin su muna so mu san a quoi ils pensent sur le long terme qu'est-ce qu'ils ont prévu si tu peux nous en dire euh, en parler ici sur la fada wa alaikum salam ina ji wannan ma'aikata da muke kokowa kansu wanda ake kira da suna su traitant a harshen mu Hausa ake cewa 'yan kwangila. Mm, 'yan kwangila ba. Lalle Kominak Tali'i mutane akwai wanda suna da proje kuma abun da muka yi kokowa da ikon Allah ba sai ba ƙarfinmu ba ne komi sai Allah ya so ake shi Allah ya kama mu akwai jama'a wanda sun kama mu wanda bani iya ganin sunansu saboda mu yau ko mutum shawara ya baka kamar ya kama ma ne mutane sun samu wasu abubuwa wanda wasu ipef vize travaye a l'avenir ko zuwa gaba za su yi aiki a kansu bisa kwantkinsu ba sai sun ma wani aiki ba akwai wanda kuma rayuwar duniya da ya bayan da ba ta kasance kana iya barin wannan ka samu wanda ya yi shi ka ce gara da aka yi lalle kominak ta lige ta lige da mutane menene ta lige da mutane ciki wasu ba su san da za su kama ba wasu kuma suna gara da aka yi akwai wanda suna da proje hmm. saboda yanzu ma kominak ta yi amma ba mu cewa ta yi saboda mu har yanzu gani muke kama ba ta yi komi ba saboda ta ba da mai da kwamfanyama abinda suke ba da si symbolic wanda suka bada mai salma si pas satisfaisant to kamar bisan shi ne muna kira ga magabata wagga occasion ce ta zo za mu ƙara gai muna kira ga magabata su sake dibawa a sake diba condition de vie na ma'aikata 'yan kwangila kun shi dai wannan sgk matsalolin dai ya fara su za ya ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na habibu kan mi ban kwana kwata-kwata bisa kan wannan shirin namu na tusa uh, lafada faransa hausa zan gayyato olivier ya zo bisa kan fagen shi ma da kronikin tashi ya zo mana da kronikin tashi olivier ya kake da dama ça va ouais ça va ravi un peu perdu dans les discussions et tout ok mais on garde espoir quand même hein? Ah ouais, toujours toujours toujours ça marche on t'écoute Ami de la fada bonsoir dans une des chroniques que j'ai faites dans le département d'Arlit, j'avais parlé de l'impact des voies de communication dans le développement d'une communauté. Ce soir, nous allons parler de l'impact des télécommunications dans le développement d'une communauté. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. À la fermeture de la Cominac, j'avais fondé l'espoir que bientôt Arlit deviendra le pôle technologique du Niger. Tout simplement parce que nos ancêtres ont travaillé pour créer Arlit sous les mines. Eh bien, nous aussi, nous pouvons bien évidemment créer Arlit sous la technologie. Mais tout cela dépend d'abord des conditions dont on dispose. Le département d'Arlit, non seulement il est isolé géographiquement compte tenu de l'état des routes, il est également sur le plan technologique. Mauvaise connexion Internet, problème de réseau pour les appels téléphoniques, plusieurs défauts de communication sont remarqués dans le département d'Arlit. Et pourtant, la connectivité digitale du Niger est une priorité pour le gouvernement Uhumudu Mahamadou. La preuve en est qu'une partie importante dédiée à l'accès à la connexion Internet a été mentionnée dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Si nous voyons de près la dite déclaration, le cinquième acte de l'action du gouvernement Uhumudu Mahamadou est le développement des infrastructures économiques. À ce niveau, le gouvernement nigérien reconnaît que le développement des infrastructures de télécommunications va davantage contribuer à l'accès à des services de qualité sur l'ensemble du territoire. La déclaration de la politique générale du gouvernement nous informe également que l'ambition de ce gouvernement dans le secteur est d'améliorer significativement les taux de pénétration du mobile et de l'Internet au débit, ce qui permettra bien évidemment de faire du Niger un carrefour d'interconnexion en matière de fibre optique de la sous-région, moderniser le domaine de la gouvernance à travers le e-gouvernement. Connecter le monde rural à travers l'accompagnement des structures et institutions de l'État à la réalisation de leur e-stratégie. Désenclaver numériquement les villages administratifs du Niger, promouvoir l'usage du e-service des zones urbaines et rurales pour booster finalement l'inclusion financière et créer un environnement favorable au développement local du contenu numérique et l'accompagnement des startups locales. Amis auditeurs et auditrices, nous allons conclure cette chronique. Mais avant tout, quelques questions me viennent à l'esprit. Jeune Dalit, comment vivez-vous avec ces connexions Internet aussi capricieuse. Cela représente-t-il un acte ou un inconvénient pour vous Vous êtes sur Studio Kalangu et le Niger vous écoute. Qu'avez-vous à dire à ceux et celles qui décident de notre avenir À l'instant, j'avais lu des extraits de la déclaration de la politique du gouvernement. Est-ce que ces attentes pourront être résolues Demain nous les dira. Et ici, dans la FADA, on porte toujours l'espoir. Quant à ces questions, on se retrouve demain dans la chronique pour avoir des réponses avec nos amis de la FADA. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci bien Oli, merci pour euh, tes chroniques toujours aussi édifiantes et pertinentes. On lui applaudit s'il vous plaît. <laughs> merci bien. Cette fada, elle, elle n'est pas aussi fun que les fadas. Mais quand même ici à Arlit, on garde espoir. Les jeunes, ils ont été vraiment secoués. Ils sont encore secoués par la fermeture de la Cominac. me kamar an duka wani matasan suka gai ivan fabi celebra ba sa bar eh, neman abin kansu ba duk da abin dai abin da ciwo abin wasu kuma ba a ba su ma dama an za su samu na kan nasu su samu su yi kirkiro wasu 'yan business kinsu wasu ba su da wannan halin amma da wannan dai babur gaye a cikin matasan wanda suka gayyace mu a yau wanda suka gayyace mu cikin wannan garin nasu kenan zamu cewa a huta lahiya kuma muna ƙara jinjina musu wannan matasan na arlit on leur souhaite beaucoup de courage on leur souhaite bon vent dans tout ce qu'ils vont entreprendre et on se retrouve une autre fois à arlit merci bien merci tout le monde